depuis 1960 il y dinañ am ay mais souvent duñu am de vraies réformes en profondeur et cette fois-ci bo ni président de la république waxé xam nga définitivement régler ces questions-là. Bon, mes attentes, c'est la dépénalisation des délits de presse, mais également aussi une justice euh, beaucoup plus humaine, beaucoup plus résiliente. C'est juste pour ça, en fait. Et donc, euh, que les longues détentions s'arrêtent, mais surtout que les journalistes ne soient plus euh, jugés à partir du code pénal, mais plutôt du code de la presse, parce que c'est une loi comme le code pénal en est une autre. La rencontre d'aujourd'hui, je pense qu'elle est extrêmement importante et j'espère que à la fin de cette rencontre, nous pourrons trouver des solutions, créer un cadre assaini pour que notre justice puisse être dite et au, au bénéfice de toutes les populations du Sénégal. Parce que on s'attendait à ce discours du président de la République euh, qui a plus ou moins balisé euh, les axes des travaux que nous allons bientôt entamer. Euh, nous allons nous concentrer. Moi, je me suis inscrit au nom de l'APR dans la commission réforme. Il comme j'avais un seul objectif c'était que la société règne que la justice règne dans la dans la société donc aujourd'hui su fekkee nous commencer justice D'après maintenant, euh, vraiment c'est une initiative qui est très très bonne. Euh, il est important que ñu waxtaanee ko mais li ci ëpp solo mooy li fiy jógee buñ demee ba ñu tënk ko yan jéego la ñuy teg yan jéego la nguur gu bees gi di teg pour que suñu justice euh, ni mu mel ni muy mel fii ak deux ans trois ans quatre ans ba abadan mu donne justice bi nga xamante ni. dina méngoog justice bi sénégalais yi bëgg.